l'objet de cette visite, euh, euh, quoique brève, est très important parce que nous avons été dépêchés par le président de la République suite au drame survenu dans les deux villages Tchambangu et Zarumdari euh, au nord Walam. Et donc nous sommes venus leur apporter le soutien moral. Nous avons présenté les condoléances du président de la République, du gouvernement, de la nation nigérienne, et en même temps également leur apporter un, reconfort sur le plan matériel, donc euh, une assistance alimentaire et non alimentaire, et également leur annoncer des mesures devant pouvoir les sécuriser davantage pour rester dans leur village. Nous avons eu un bilan désastreux puisque dans ce village de Tchambangou, on aura, certainement perdu 70 personnes, tandis qu'une trentaine de personnes ont été assassinées dans le village de Zaroum Daré Ce qui fait 100 personnes. C'est tout simplement euh, horrible comme situation, euh, commise par des individus euh, dont on ne sait pas, on n'arrive pas à avoir l'identification, mais des enquêtes vont être diligentées pour que ce crime ne soit pas laissé impuni. Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour, euh, en tout cas, euh, rendre à ces populations la paix, en tout cas le vivre ensemble que nous allons promouvoir pour que la paix règne dans, cette, zone particulièrement euh, menacée ces derniers temps.